Dalinkoor gaa gangi original bangi ngi bu leen kenn nax nak 9 kilo bëri na nag te bokut boo leen bëggee bu baax lu buggaas mam jaara rek ko am nak d'origine bi nag fee moome vent 9 kilo mam kilos maam jaara <laughs> yaa moome vent jigéen ni ci dul yaa jaara Retrouvez les meilleures recettes de votre émission Combat des chefs dans le magazine Délices, premier magazine gastronomique du Sénégal. Chers téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette finale de Combat de Chef euh, saison 3. Aujourd'hui, nos deux finalistes, Dion Gomis et Sidibé, vont s'affronter dans un combat et dans un duel sans merci. Ils vont devoir revisiter des plats sénégalais. Alors revisiter, ça veut dire euh, prendre un plat traditionnel et en faire une assiette digne d'un chef de restaurant gastronomique. Notre jury de Kisakala sera là à son habitude pour euh, noter et attribuer donc euh, qui sera le grand vainqueur de cette saison et qui sera son second, bien entendu. Je vous propose tout de suite de regarder le portrait de Dion et de Sidibé. Bon, bonjour, je m'appelle John Gomis. je dis aussi Olef à tous les Majak qui me regardent partout ici au Sénégal, euh, bon, et aussi en France et partout parce que carrément ils appellent, ils m'appellent tout le temps. Bon, aujourd'hui nous sommes ici en finale. carrément carrément, n'ai pas parlé beaucoup parce que actuellement je suis un lion blessé, donc euh, je dois rectifier tout coup, coup, cette finale parce que carrément cette finale que j'ai ratée la fois passée, non vraiment, ça a laissé un goût amer dans ma vie. Donc euh, cette fois-ci, voici encore, euh, je suis encore en finale. Je dis juste, euh, là, je vais gagner. Mon adversaire, je le connais bien. Je le connais parfaitement. Et là, carrément, une seule chose, je le sais, euh, je vais battre. Je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre. Donc, en tout cas, je vous prie tous de prier parce que là, je vais reprendre cette finale cette année-ci. Et j'espère que et amener la finale à la maison, à Djamogun, particulièrement à Ndiagobar. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Et je dis à mon adversaire, je t'intéresse rien, rien du tout. bonjour, euh, c'est CDB euh, Mohamed Lamine. Ah, bon, euh, je voudrais d'abord remercier ma famille qui m'a aidé un peu à l'ascension, aussi particulièrement ma mère et mon père. Euh, je remercie aussi euh, tous, mes partenaires qui travaillent avec moi dans l'entreprise familiale. Bon, je, les salue particulièrement. Je salue aussi ma femme. Euh, je dis aujourd'hui c'est notre troisième année d'anniversaire. Bon, je le remercie de passage et lui dis franchement, je l'aime énormément. Je t'aime, ma chérie. je vais dire à mon concurrent, j'ai entendu ce qu'il a dit. Je ne vais pas polémiquer, mais qu'il sache que comme je l'ai dit au début, je suis là pour gagner et j'envisage de gagner. Et je ne vais pas rester jusqu'à la dernière marche pour perdre. Qu'il le sache. Et qu'il sache qu'aujourd'hui, il a mince à faire. Je vais gagner et je vais gagner, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit au début. Merci c'est dans ce restaurant, la calebasse, qui se situe au Mamel, ce lieu atypique et africain, que va se dérouler cette finale. Je vous propose tout de suite de rejoindre nos deux, candidats dans la cuisine. On y va. Le restaurant La Calebasse, un lieu unique et magique. Situé au Mamel, ce petit lieu merveilleux vous proposera des repas sénégalais et gourmets. Une cuisine faite uniquement avec des produits frais et locaux. Pour accéder au restaurant et trouver sa vue imprenable sur Dakar, vous traverserez galerie d'art. Ce lieu regorge des trésors des peuples d'Afrique. Alors, pour un bon repas ou une découverte africaine, venez sans plus tarder à la Calebasse au Mamel. Contact au 33 860 69 47. 33 860 69 47. Aujourd'hui, je vais vous présenter un, plat qui s'appelle je dis, euh, le bon goût. Le bon goût, je vais faire un plat typiquement sénégalais qui s'appelle le bon goût. Le bon goût, c'est accompagné avec du poisson et avec aussi des poissons chassés comme crevettes et tout cela est yoros comme on dit au Sénégal. Yoros et crevettes et aussi tout fort. Que carrément, je vais l'accompagner avec du riz. Donc euh, après là, je vais mettre, après là, j'ai bon, du poivron, en plus des carottes et aussi des navets pour faire un riz cantonais. Et là, j'ai assez ma riz, un riz long en préférence, avec aussi des jambons, de dinde quoi. voilà, avec aussi de la bissap c'est une gousse d'ail pour faire euh, mon plat typique sénégalais, le bon goût. Après ça, je vais remercier le Lob Mambiara qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je n'arrête pas à le dire parce que carrément, il nous accompagne tous les jours. Et aujourd'hui, à la finale, il est encore avec nous. Donc je remercie tout le personnel de Lob Mambiara. Et pour aussi rappeler les gens qui nous suivent à la télé, utilisez le Lob Mambiara car c'est rapide, c'est fiable aussi à la sécurité. L'homme mondial compte aussi des accessoires qui sont vraiment fiables, qui sont vraiment fiables, en bonne qualité et qui ne sont pas, même pas faits ici au Sénégal, car ils étaient bien vérifiés avant que même on le voit ici au Sénégal. Donc, euh, utiliser le lobe Mamdiara, car Mamdiara, il est, madame, pour le final d'aujourd'hui, euh, je voudrais cuisiner euh, du chebiat sénégalais, euh, un plat à base de riz et de viande. le problème, c'est qu'on va On va faire rôtir la viande et, après, on va essayer de, le cuisiner comme on va essayer de monter ça en étage. Vous allez voir, ça sera différent. Ça, ressemble un peu plus à de la pâtisserie, mais avec sculpté, avec de la volume. Euh, ce plat simple, on va essayer de le résister et de donner autre chose que le traditionnel, différent du traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Euh, aussi, euh, pour parler aussi de, gaz Lob Mamdiara, je vais emboîter le pas de Jean et dire aussi, parler plus de la sécurité parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Lob Mamdiara est un gaz qui est efficace, qui est sûr, aussi, euh, euh, c'est un gaz, euh, je dirais, familial. on peut le voir, on peut l'utiliser dans les baptêmes, les mariages et aussi en cours familier. Donc, je vous le conseille à vous tous, vous tous Sénégalais. Et aussi, vous deux aussi, c'est fait par des Sénégalais, donc des patriotes qui ont investi dans leur pays pour les Sénégalais, mais aussi pour le développement social. Donc, je vous le conseille énormément. Merci. c'est-à-dire d'ail, euh, de poivre, de sel. On va juste mettre un peu Alors, Silibé, euh, je vois que tu as entamé des boulettes, c'est ça Tu peux m'expliquer un peu euh, Je voudrais faire euh, allier les deux, c'est-à-dire que au, début, je voulais, ce que je voulais faire par exemple, c'est du Tchébou djaga. Oui. djaga. Ah oui. Mais je voulais alterner le tchèbou jeune au yap en changeant le jeune et en mettant du viande. Et faire des boulettes, les incorporer à l'intérieur pour apporter le croustillant à l'intérieur. On va faire des étages, on va essayer de monter quelque chose. Euh, sur des étages, on va mettre à l'intérieur les boulettes. Et quand on va couper, on va se rendre compte qu'il y a des boulettes à l'intérieur. D'accord, comme une surprise Voilà, on va essayer de faire ça. on va... Là, j'ai en train de, de cuire, de retirer la viande. Et après, on va tout simplement le découper, comme on n'importe pièce comme un steak. Mhm. Euh, on va le mettre à, hauteur. On va, se proposer. Et tu penses que quand on dit revisiter le plat sénégalais, donc ton plat sénégalais sera digne d'être présenté dans un restaurant gastronomique Voilà, c'est ça le but. Le but euh, euh, de revisiter, c'est de ne pas faire la même chose. Mhm. C'est de le faire avec les mêmes goûts, mais différemment. Donc, les goûts doivent s'y retrouver, mhm. mais à la différence de ça, au lieu par exemple de faire une cuisson par expansion, pourquoi ne pas faire une cuisson directe, c'est-à-dire l'eau sèche, euh, voilà, ou par immersion ou par autre chose. C'est-à-dire le but c'est de faire autre chose mais d'apporter toujours ce goût-là qui, est spécifique au plat. Très bien. ça Écoute, je te souhaite bon courage. Merci. À tout à l'heure. John. je vois beaucoup de couleurs avec tes canis salades, tes poivrons, tes oignons, tes carottes euh, et tes poissons. Alors, où tu en es Bon, euh, bon, à vrai dire, bon, j'ai déjà débuté bon, mon plat que j'ai intitulé euh, Le bon goût. Le bon goût Ouais, le bon goût. Parce que là, c'est comme le plat, c'est bon, que j'ai rédivisé pour aussi euh, dire actuellement, celle-ci, c'est le bon goût. Elle est d'être. voilà. C'est toujours bon, c'est bon D'accord, c'est toujours bon, <laughs> c'est le bon goût. Donc, c'est peut-être aussi euh, l'aspect aussi de la présentation qui va changer. des trucs que je vais mettre dedans et tout cela. Après là, vous allez voir à la présentation et tout. Vous, allez savoir aussi, il a aussi le bon et aussi il a aussi le bon coup. Donc ce qui fait, c'est tout bon. Tout est bon. tout est bon. Parce que c'est comme une finale, il faut faire tout qui bon. Je te le souhaite. Écoute, du courage, à tout à l'heure. Euh, déjà coupé mes oignons pour faire ma sauce mayo. Donc euh, là, il faut juste préciser pour mes amis qui viennent de nous euh, suivre actuellement. Donc pour vous, dire, pour vous dire vous conseil sur propos de l'homme mandiara. Car l'homme mandiara, je vous dis une l'homme carrément, c'est vraiment une case qui est vraiment pratique, fiable comme toujours. comme je vous dis, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à cuisiner avec le Lobe Mandiara. Donc ça fait maintenant deux ans et depuis je l'utilise vraiment, chaque jour je l'utilise, mais depuis ce moment-là, le bec hein, et le gaz, il est toujours intact, comme je l'avais acheté. Donc pour vous dire, utilisez le Mandiara car c'est très fiable. Maintenant, actuellement, j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait bu euh, l'eau pour commencer la l'acquisition de mon riz. Donc pour commencer, parce que peut-être aussi les arbres sont déjà fini, euh, on peut dire qu'il reste plus que les riz, que je vais mettre euh, avec aussi les crevettes, avec aussi les yochos et les pagnes et tout. Et là, avec euh, tout, ça, avec les petits légumes. Après ça, je pense que c'est fini, il ne reste plus que l'adressage. Donc je vais entamer mon riz maintenant. Donc, merci Maintenant, on a fini de faire euh, notre ratatouille pour euh, la sauce euh, du, du Et aussi, on a fini de faire le Euh, bon, il ne reste plus qu'à acheter le riz et à le cuire. après, c'est bon. Il ne, restera que le dressage. aussi dire par rapport toujours à l'Ob mangara de vous conseiller je vous le conseille de, l'utiliser chez vous. il est euh, vraiment un exemple, un exemple typique de, gaz de sécurité et de gage de sécurité. Quand on dit gage de sécurité aussi, cela veut dire gage de vie par rapport à vous-même et par rapport à votre famille. Donc je vous le conseille énormément. Prenez le lobe gaz Namdiara. Merci. on arrive presque au terme de l'épreuve là. Alors est-ce que le temps va te suffire Tu en es où C'est, si, si. Bon, le temps est vraiment suffisant pour moi parce que là, actuellement, j'ai déjà fait, j'ai déjà commencé mon riz. Il reste plus que 15 minutes que ça cuit. Après ça, bon, il reste plus que la dressage. Bon, à présent aussi, j'ai déjà grillé aussi mes poissons. D'accord. Donc bon. Donc tout est bon. Voilà, tout est bon. Il reste plus qu'à dresser, attendre le riz. Hein. attendre le riz. Et continuer ma sauce, voir le visier, le goût et tout. T'es confiant là ah Ouais. Toujours Toujours, ouais. Très bien. B, on arrive au terme de l'épreuve, tu en es où Actuellement, j'ai fini, il ne me reste plus qu'à cuire tout simplement mon, riz. Oui, oui. Et après, c'est bon, il ne restera que le dressage. Très bien. Donc, je peux dire au jury euh, de s'installer. Et puis, je crois qu'ils vont se préparer à déguster vos plats. Ok, à tout de suite. Retrouvez les meilleures recettes de votre émission Combat de chef dans le magazine Délice, premier magazine gastronomique du Sénégal. Alors, chef Paul, chef Ndiaye, on se retrouve pour cette finale. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Donc voilà, on a passé toute la saison ensemble et malheureusement ça va se conclure ce soir. Donc Dion et Sidibé ont préparé aujourd'hui deux plats sénégalais revisités, c'est-à-dire un plat traditionnel mais qu'on pourrait euh, servir euh, d'être digne d'être servi dans, un restaurant gastronomique. C'était ça l'épreuve du jour. Donc je vous laisse vous présenter et puis on va euh, tout de suite faire venir les deux plats. Bonsoir, moi c'est Chef Paul, chef pâtissier à Kisakala. Je vais donner la parole à mon collègue qui va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Ousmane Diaye, chef cuisinier à Kisakala. Ok, merci. Donc, grand chef, je te laisse euh, voir. Qu'est-ce que tu en penses d'abord euh, du point de vue de présentation, moi je pense que c'est bien fait, hein. c'est bien présenté, c'est bien joli. Mm-hmm. On va voir du point de vue de qu'est-ce que ça va donner. Mm-hmm. La présentation est là. Mm-hmm. Euh, du point de vue de ça, c'est... là, je ne dirais pas, il n'y a rien à dire, mais on peut le voir. Quoi. Mhm. Voilà. Je te on va goûter ensemble. Ok, allez-y, allez-y. Bon, on dirait que c'est une dorade là, une mhm. dorade grillée euh, comme ça au brésil. Je pense que c'est brésil là. Au niveau du qu'est-ce que tu en penses C'est bien cuit C'est bien préparé Hein, on dirait qu'ils ont utilisé les produits locaux. Il y a le bissap là, On qu'on mhm. appelle chez nous bucket. sais pas si tu aimes ou pas. Si, si, j'aime, j'adore le bissap. <laughs> Qu'est-ce que tu en, penses du poisson Le poisson, c'est bien fait ou bien en tout cas, c'est bien mariné. Je sais pas, on va, je vais voir le riz, qu'est-ce que ça donne. pas que c'est du vrai riz hein, blanc, donc c'est le riz du savon qu'il a essayé de faire. Ok. Il y a une sauce là, on que c'est... Je ne sais pas si vous connaissez le plan, c'est bon. bon. J'ai l'impression que c'est ça qu'il veut répéter quoi. Parce qu'il a fait des sortes de sauces. bien fait. C'est hein. bien fait. Hein. Mais au niveau de l'assaisonnement, je pense que ça reste un peu. Hein. C'est pas assaisonné comme moi je le veux. Quoi. le ça a mais à mon avis. Mhm. c'est pas, mal. c'est pas mal. Mhm. qu'est-ce que vous voulez faire là l'autre a fait les chips. Je ne sais pas ça, je ne sais pas si c'est de la viande ou pas. Mhm. Mhm. Qu'on puisse bien euh, déguster que c'est de la redouille, là. ça, tout blanche. Qu'est-ce qu'on vont faire C'est quoi C'est de la viande Je pense bien que c'est de la viande. Vous êtes un peu couper pour voir Oui. En tout cas, la viande est un peu dure. Hein. même au niveau du groupe, au niveau des riz, les tchèpes, en tout cas, ça reste un peu. Hein, le goût, ça, pour moi, le goût n'est pas tellement. Ça... Ça, je pense, que ça vient d'acheter ou bien de boulettes Une boulette, c'est une sauce. vous Moi, je dirais que c'est de la ratatouille. Mhm. Euh, il y a des, des boulettes dedans. Peut-être c'est une sauce euh, blanche. Mhm. Au niveau du sel, je vois que le sel, ça manque un peu pour moi. Ça manque. Hein. On dirait qu'on a euh, le même point de vue sur euh, la première On dirait que pour moi, ça rapporte. Je sais pas. Okay. Je veux pas vous non, non. non, non, non, <laughs> il n'y a pas de problème. je ne sais pas. Euh, du point de vue. Présentation, je pense que. Même à mon avis, mhm. quelqu'un peut. J'ai encore le poisson. Non, non, le nouveau du poisson, je pense que lui. Au début, c'est la personne qui a fait le poisson Donc on conclut pour ça. Mm Oui. Mhm. c'est bien présenté, c'est bien fait, bon, sauf qu'il manque un peu d'assaisonnement. Il n'a pas bien assaisonné comme je le veux. Mais ça va. Mais lui, du niveau de ses candidats, nous a fait, c'est vrai, du chep yap, sais pas, de chep avec euh, de la viande il manque la présentation, ça reste aussi. Au niveau du goût aussi, ça reste un peu. C'est bien qu'il ait fait un plat comme les parce que c'est pas donné à n'importe qui de préparer les diables. Ah les, hommes n'ont pas l'habitude de préparer les diables. Peut-être euh, ça serait au moins ça, mais mhm. c'est ça le vrai problème. Parce avec la cuisine sénégalaise, mm temps, c'est la cuisine européenne, bon, ils n'ont le temps de... Ah. Ils ont une culture que c'est la fille qui doit préparer la mhm. cuisine, alors qu'une cuisine, c'est une cuisine générale. Mhm. Il faut euh, tout faire. Mais c'est bien, c'est bien qu'il a au moins essayé de faire les chips. Mais ça reste un peu le goût. Alors, vous avez pu déguster les deux plats des candidats finalistes. Maintenant, on aimerait avoir votre euh, verdict final. Chef Ndiaye. Oui, je suis content d'être là. C'était un long parcours et une compétition franchement un peu serrée. Depuis lors, euh, on a finalement pu avoir ces deux candidats. Des candidats, on dirait que des gens qui méritent. Et là, c'est pas facile, c'est pas facile. Euh, on a essayé, chez Paul et moi, de sortir du lot, mais c'est pas facile. Sur ce, euh, je ne sais pas si je vais dire euh, le, plat ou laisser se Non, allez-y. D'accord, on a fait une dégustation de, ces deux plats. Mhm. Bah, finalement, euh, chez Paul et moi, bah, pour le plat de, poisson braisé avec les riz, bah, on dirait que c'est bon qu'il a essayé de formuler. Mais on a trouvé, du point de vue goût, c'est pas mal. du point de vue finesse, euh, c'est aussi pas mal. Euh, c'est un plat de concours. Vu qu'ils ont beaucoup fait du point de vue du plat européen, tout ça, c'était pas mal. Mais on a fini par atterrir euh, sur le plat africain. Donc ça veut dire que le talent est là. on a pu suggérer ce, plat. Je vais laisser le grand chef Paul donner son avis. Euh, je ne sais pas, parmi les deux qui a fait ce, euh, plat, peut-être euh, ils vont nous... Donc c'est ce plat que, tu, que vous avez choisi On a choisi le poisson. Je ne sais pas qui a fait parmi, les deux, parmi les deux, c'est John, Gomez. Tiens le micro. en tout cas, John, bravo et félicitations. Le goût, il y le vert, sauf que ça manquait un tout petit peu d'assaisonnement. En tout cas, c'est bien fait, bien présenté. Tu peux euh, réagir à chaud Bon, bon, je dis merci à vous, euh, parce que carrément, j'ai carrément, bon, moi j'ai pu rentrer dans le thème. Comme puisque aussi, avec dans ce restaurant, on a eu aussi des, assiettes en bois qui est vraiment présentable, comme des plats africains. Donc mhm. euh, ces plats-là, bon, je l'ai tout bon, bon, le bon goût. Bon, voilà, le bon goût. C'est comme, euh, bon, j'ai euh, bon, le plat, c'est, comme on dit au Sénégal, le, bon, le c'est bon. Donc, c'est que j'ai fait là, avec des bissap et tout, avec les poissons braisé. Donc, euh, à part ça, bon, je suis content de, de vraiment arriver à terme de cette émission en étant aussi le chef. Bon, parce que j'ai fait un grand parcours euh, l'autre année, carrément, c'est allé finale. Bon, là, j'ai perdu, mais cette année-ci, Dieu merci, parce que carrément, j'avais budget que cette, cette fois-ci, j'ai fait tout mon possible pour euh, carrément remporter cette vie. Mais carrément, je l'ai remporté grâce à vous. Grâce à vous qui savez ce que vous goûtez. Donc euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est vous qui l'avez décidé. Donc merci à vous d'être personnel pour aussi en fait de mieux user. Merci beaucoup. Tu peux passer le micro à, à si on peut avoir aussi sa réaction. Bon, ce que je dirais, c'est être sportif d'abord. Mhm. Le but, c'est pas, comme le disait souvent mon chef, la cuisine, c'est pas un jour, c'est toute une vie. Si on l'aime, c'est ça qui est important. La mhm. c'est que ce truc de jeu, on le fait parce qu'on a cette passion-là on a cette passion de faire la cuisine et de la montrer à tout le monde. Donc gagner ou ne pas gagner, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire voir la cuisine et le faire voir aux autres, le faire aimer. C'est ça qui est important. Donc à travers ce plat, j'ai essayé quand même pas mal que possible de voilà, d'essayer. J'ai essayé. Je ne dis pas que ceux à qui j'ai déjà gagné les, les fois que j'ai gagné, j'ai été meilleur, je dis qu'ils ont été méritants. Ils n'ont pas eu la chance, forcément. Mais bon, c'est ça aussi la cuisine. On est là pour ça, on est là aussi pour comme je le dis souvent, je le dis toujours, mais je le répète chaque fois. On cesse d'apprendre chaque jour euh, qu'on grandit comme ça. En grandissant, on apprend toujours. à la fin, quand vous demandez au grand chef qu'est-ce que vous avez appris, on n'a rien appris encore. À 90 ans. Merci beaucoup. À chef. John Sibé Dion, tu es donc le grand vainqueur de cette saison 3 de combat de chef. Sidi B, tu finis second, ce qui est déjà un parcours remarquable. Nous vous remercions tous les deux euh, de nous avoir accompagnés dans cette euh, saison. Nous allons immédiatement vous remettre un lot. Alors je sais bien que comme tu l'as souligné, hein, vous êtes là pour la passion, vous n'êtes pas là pour la... Euh, voilà, vous êtes là peut-être pour le, le prestige, mais le lot n'est qu'un prétexte pour vous récompenser tout de même. Et merci encore. Merci à vous aussi de nous avoir accompagnés. Merci à Lobougaz qui va venir dans quelques instants vous remettre euh, un lot. Alors, au nom de la LCS, en tant que directeur de, de la chaîne, je te remets, Dion Gomis, donc l'attestation, le diplôme de vainqueur du combat de chef saison 3, que nous allons ensuite euh, plastifier pour immortaliser ce moment. Et Sidibé, tu as toi un magnifique diplôme aussi, place de second. félicitations à tous les deux. Euh, Dion, tu auras également une petite enveloppe de la part de la LCS pour te récompenser de ton, de ton beau parcours. Chef Paul, chef Ndiaye, merci beaucoup de nous avoir accompagné lors de cette finale et tout au long de la saison. Et puis bon courage pour, euh, pour la suite, j'espère vous revoir très bientôt. On va tout de suite laisser la place à nos partenaires de l'Obugas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont les, candidats et cuisiniers qui sont en l'honneur, mais j'aimerais tout de même euh, remercier euh, avant toute chose, donc en tant que présentateur de l'émission mais aussi directeur de la LCS, notre partenaire Lobougaz qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Euh, cela fait trois saisons, bientôt la quatrième qui arrive. Ils vont encore nous accompagner, être à nos côtés, donc vraiment merci beaucoup. on peut vous déclarer vainqueur hein, de, cette <laughs> de cette émission vraiment.

parce que Lobu Mame Diarra nekkatul entreprise bu ñuy publicité fii ci Sénégal ndax ñëpp a ko xam ndax lu baax li muy liggéey ak li muy def ci créer emploi yu bëri ci biir réew mi doomu Sénégal bu am 30 ans d'expérience ci wàllum gaz moo ne naka lay def ba wàññi chômage ci Sénégal sukkali sama réew xam nga olof dafa ne boy jàngal nit tout le temps di ko may jën di ko may danga ko jàngal nu ñuy nappee moo tax mu créer entreprise bi jël ci ay doomu réew mi la ñoo fa nek di ci liggéey machallah allah ñu koy sant di ko ko ñaanal jàmmam yàgg ba entreprise bi fi mu ko séntu mu dépassé foofu incha allah tey nag lu bu maam jaara dafa ñëw di delloo njukkal ñi gañe jongante togg bi muy vainqueur bi ak deuxième bi ñu njëkkee ci ki jël deux il n'a démérité kontaan nañ trop lobu nee na may na la bouteille yu gaz 9 kilos yanj ba dee ànd ak ay accessoire am mooy support bi inde bi ak begam da ngay togg ba sonn du jeex saa yu la neexee lobbu ne yemoo foofu dama lay may ay bon de recharge yoo xam ne danga koy am ñetti weer weer bu nekk am nga ñaar recharge mais juin ba juillet am nga ñaari muy six recharge yoo am lobbu jaar moo la ko may te di kontaan di la félicité la wax du courage ñu ñëw ci jon lobu nee na may na la lii mooy réchaud fun na mën a lii waxuma sax xew mais même sa kër boo amee fête tabaski korité jeeg ko am si këram pay rek lay jël te yaa jël pay gis nga ñoo tax ñu jox la ko mu ànd ak bouteille gaz am yi am détendeur robinet ak brûleur italien bi détendeur bi moo limité pression bi bokk la comme kii artisanal yi bii da ngay taal togg ba mu ñor te dara du xëm dara du takk lépp maam jaar moo la ko jox di la remercier ne tamit moom tam may na ay bon de recharge pour genn wàll at du ma wax sax 6 mois genn wàll at laay wax 12 recharge nga am foo dem distributeur loobu yëpp mën nga ko charger sans problème ñu tam ñu ngi lay encouragé la ñaanal yàlla nga gañe yeneen jongante yu gën a ëpp yi merci je passe la parole à ma à mon <laughs> Bonjour chers téléspectateurs du Sénégal, de la SES euh, et partout dans le monde. Euh, nous remercions la SES de permettre à Lobo Diarobousso de participer à chaque saison de la LCS, de combat de chefs autant pour moi. Euh, n'est plus une société à présenter aux Sénégalais. Maintenant tout le monde le connaît à sa longévité grâce à son aspect économique. Lobo Djara Bousso est une société qui n'est plus à présenter au Sénégal. Avec sa bouteille de 9 kg dont elle a créé, qui est très économique, très avantageuse et euh, très pratique à utiliser dans les ménages, avec beaucoup de sécurité. Donc, euh, donc je commence par le deuxième finaliste. Donc l'Obu Mamdia vous offre une bouteille de 9 kg avec support et brûleur. Et en même temps, des recharges pendant 3 mois. Et chaque mois, vous avez droit à deux recharges que vous pouvez vous en procurer chez tous les distributeurs de l'Oboumam Diarabousso. Donc encore une fois, l'oboumam Diarabousso vous dit félicitations et beaucoup de courage et bonne continuation pour la suite. John le vainqueur. On était là-bas au Saloum l'année dernière et cette fois-ci encore vous êtes euh, vainqueur, donc félicitations. Euh, le Lobo Mamdiar vous a donné le réchaud grand modèle, plus la bouteille de 9 kg avec 9 kg de recharge à l'intérieur, euh, avec tous les accessoires que vous pouvez utiliser dans les cérémonies, pendant la tabaski, la corité. C'est surtout donc très pratique avec les grandes cuisson avec les marmites. Et aussi, vous avez droit à six mois de recharge. Chaque mois, vous avez droit à deux recharges que vous pouvez vous en procurer chez tous les distributeurs de l'oboumandia rebousseau et partout au Sénégal. Donc, toutes nos félicitations, bonne continuation et merci beaucoup la SES qui nous a permis de participer à ce concours de combat des chefs. Et nous espérons bien que nous allons continuer à être des collaborateurs euh, dans les années qui vont suivre. Merci beaucoup. Très bien, merci à toutes les deux. Merci aux, deux finalistes également. Euh, encore toutes nos félicitations. Quant à nous, c'est ainsi que se conclut cette finale euh, et donc cette saison 3 de Combat de Chef. Donc, je ne pourrai pas vous dire euh, mon traditionnel à la semaine prochaine, mais à la saison prochaine. Alors restez bien avec nous, nous repartirons au Saloum pour de nouvelles aventures avec Lobougaz et d'autres candidats. En attendant, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. A bientôt